Je fais chers spectateur euh, de la chaîne télévision le Rifisqua TV Dans ak c'est si émission Sport euh, le rendez-vous euh, des sportifs du samedi nous am contact di leen ko présenté tay tay un invité de marque ko xamni bëggoon nañ ko dégg moo tax ma andi leen ko ñu war a waxtaane lépp la nga xam ne rek jëm na ci wàllu sport football donc euh, moom mooy euh, monsieur Ousseynou euh, Ndoy président district de football bu Rufisque nekk aussi directeur du stade yore tamit en charge li nga xam ne mooy service sport bu commune bu Rufisque monsieur Ndoy def naa ne noonu la de waaw ma bàyyi la nga nuyoon teg les spectateurs du Rufisque TV ak Sport Mag merci beaucoup donc maa ngi nuyu ñëpp di am mbégte ci euh, le quoi TV donc euh, di def ben découverte wax dëgg yalla xaw installation yi mel nii am na euh, vraiment côté côté Cité Gabon wax dëgg yàlla ça veut dire que dal gars yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi liggéey peut-être nit ñee leen xamagul mais vraiment amna naa taw teew fii pour animer ak mon cher ami Alain donc parce que nañ donc merci beaucoup et ci voilà merci euh, monsieur Ndoye comme niñ koy toujours hein, le TV donc wa une moko télévision donc euh, ñu au passage le directeur monsieur Badou monsieur le directeur ah, avant ñuy euh, dugg dañuy dem stade mu structure bo xamni wax dans le département moom rek moo fi nek gérer ko yombul pour le moment je pense bien. waaw gérer que yombul de wax dëgg ku gis infrastructure bu mel nonou bon nek ben ci euh, man nañ wax ci département bi ah, parce que du côté Tëngéej c' C'est vrai que parallèlement amna ay. amna ay stade am na ay euh, stade ah, euh, un peu partout. Mhm. mais peut-être que envergure bu Ngalandou Diouf bon ben la quoi. Mhm. parce que yalla dafa daf def boo xoolee sax à travers le Sénégal espace bi ñu am wax dëgg yàlla am na ñu bari ñu ñu ko envier. maintenant nag li ci des mooy euh, investir si après pour euh, réduire l'espace l'espace donc voilà pour que ñu mën ci def euh, yeneen installation donc loolu la donc gérer nga lu juuf wax dëgg yàlla yombul parce que c'est Rufisque c'est le département ñëpp dañ koy soxla. Mm-hmm. loo xamante ne ñëpp dañ ko soxla c'est normal yenn saa yi mu xat compliqué am na ñuy comprendre par contre am na ñoo xamante ne duñu comprendre. ah mais ñu sant yàlla rek comme ñun moom loolu la ñu yàlla nato ñu gérer infrastructure bu mel noonu donc dañuy sant borom bi dañuy sant borom bi ñaan yàlla rek mu kàttanal ñu ah ba ñu mën a satisfaire population département Rufisque. mais président wax nga ko léegi kii yombul eh, làmb def naa dañ fay ñëw. concert ak yenen dañ fay euh, am ak championnat régional bi dinañ ñëw dellu si ci loolu yëpp donc euh, gestion beeg euh, defaraat bi bu fekké né amna lu ki ba le c'est pas trop difficile par rapport ak richette bi di dugg ak yoy dan ngay def ba maintenir ko parce que déjà l'autre jour rek Babacar Michel ma koy nuyu mi ngi doon wax gazon bi mu ne ndax mënuñu ko changer est-ce que charge bobu du metti pour ñu def ak yoy waaw xam nga mooy comme li ñu wax rek c'est vrai que surutilisation bi am na dañ koy nangu accepter ko mais comme ni ma wax rek bon benn stade bi moo fi am donc bu ko ñëpp bëggee utiliser comme ni nga ko waxee aussi léegi sportif yi dañ koy utiliser ah, dañ fay def football c'est vrai que dañ fay def lamb ah, normalement dimanche bi passé waroon na am benn gala de lutte dem euh, samedi euh, comme tey nii waroon na am aussi euh, gala de lutte mais peut-être y a a des difficultés avec le CNG. Mhm. loolu moo euh, gala yooyu mais am na gala projeté le 4 août. donc c'est normal ensuite il fay accueillir aussi des euh, activités politiques c'est normal dañ fay. ay concert ak yooyu. ay concert fay am ay euh, chants religieux par exemple euh, chaque année fi la ñuy def euh, xadra départemental bi. Mhm. donc dañ fiy def yeneen activités yoo xamante ne bon voilà parce que peut-être espace bi ñuy am Ngalandou peut-être duñ ko am feneen. loolu moo tax donc loolu dafay dafay dafay jaalu aussi. gérer ko jafe compliqué ah compliqué comme nañ ko accepter wax ko. Euh, loo xamante ne ni ñëpp ñoo fi ñëw fu nit ñi leen la ñuy jógee donc soxla buñ la joxul nga foog ne dañ la boddi donc moo tax voilà stade bi moom dañ ko installé c'est vrai que euh, euh, kii première bi donc football bi la mais après yeneen yi ah, voilà mënuñu leen ko tere donc ku am sa yenn activité bon boo respecté le cahier de charge rek après voilà waaw mais foofu fi laa jëmoon si sur exploitation bi mu relancé waala la ji ndax euh, gars yi ñu ngi déplorer état euh, gazon bi malgré que bi ñu ko defee léegi kii wul ndax loolu nekk problème waaw loolu moom c'est vrai que c'est un problème c'est un problème mais nañu accepter que ne depuis l'année dernière Euh, contractualisé nañ euh, ku ñuy defal entretien bi donc mhm. les clubs professionnels seetlu nañ ko parce que am na benn moment boo xam ne pendant trois jours le stade était fermé ñu def entretien gazon bi et les clubs professionnels vraiment bi ñu dellusee sentir nañ ne vraiment am na benn touche bu ci am donc loolu dafay loolu dafay wane rek dafay wane rek ne c'est vrai que euh, entretien bi posé na problème mais ñu sant yàlla rek ñu sant yàlla ñun bi ñu nemmee ko affaire boobu donc waxtaan nañ si ak euh, l'autorité ñu defal ñu ay propositions pour mu am euh, daf entretien donc normalement fin du mois avant le débarrage des dinañ euh, deux ou trois jours euh, d'entretien pour relancer un tout petit peu gazon bi mais c'est vrai hein, c' vrai ko ak mais ñu ngi si ah, ñu ngi kenn koo xamante ne war nañu mën a gérer entretien bi normalement donc pour du survie bi euh, mën a amaat donc voilà pour euh, durée de vie bi ah, gën a yokk yokk tuuti donc mais bu dul loolu comme ni nga ko waxee rek man dama ciy ànd ak yow ànd ci ak euh, ñi nga xamante ne seetlu nañ ko que entretien bi effectivement posé na problème pelouse bi bi ñu ko posé ak léegi bon. moy li ma wax rek surutilisation sur ko waral wax mais Légui, euh, comme que par exemple Teungueth FC ñu leen di féliciter champion du euh, Sénégal te xam nañu côté 16 17 18 war nañu euh, wala dañuy dem Côte d'Ivoire mais après côté 24 25 peut-être ñu ñëw fi août pour champion Champions League bi je pense pas que ñu wara recevoir Réfi. non non non stade c'est clair que Teungueth Football Club va recevoir au stade de Diamniadio Abdoulaye ah, d'accord. Parce que c'est vrai que. Mais c'est dans le département. C'est toujours dans le département. Nous le département. Mhm. Donc, nous sommes félicités. Nous félicités au passage qui hein, euh, titre nous décroché. Donc, euh, c'est le deuxième titre en l'espace de trois ans. Donc, je pense que c'est une performance, nous avons accepté. Mhm et parallèlement aussi euh, il y a Agel qui rejoint TFC en digue un professionnel donc lol da fay wone c'est c'est c'est c'est un fait rare hein. c'est un fait rare c'est si dellu si léegi <laughs> dinañ mais dama bëgg rek ñu des ci euh, statut bi ba tay hein parce que des fois je sais pas euh, ma gis gars championnat régional bi ñu et né waaye location stade bi dafa cher wala waa nawetaan tamit des fois ñu ñëw gis ni donc ça leur coûte un peu trop cher parce qu'ils doivent jouer chaque jour di fay aussi ndax mën nga ñëw si location beeg euh, euh, par rapport à gars pour li euh, déplorer. donc d'abord pour championnat régional on a fait un effort On a fait 40 000 quarante pour am stade on s'est battu vraiment. bu avez ba la Bon, en tout cas, man, bima suis man la fait Donc ça fait deux ans. Mm -hmm. Donc bima la location c'était 40 000. Mhm. Donc euh, mais j'ai vu euh, les difficultés que mom le club régional di rencontrer. Ouais, c'est vrai. Donc euh, ben moment dañ je xol euh, est-ce que mais voilà, c'était un peu compliqué. Mhm. C'était un peu compliqué mais quand même wañi nañ une euh, location pour le championnat régional. Mhm donc j'ai gagné 40 000 ou 30 000 peut-être l'année prochaine nous donne 20 000 ou 25 000 donc mhm. voilà en tout cas l'autorité a fait un effort sur notre proposition pour que nous réduire maintenant le netan mon wax deug de sañu 40 000 ah mais pour ñaata un quoi ça aussi il faut nous en championnat régional on joue deux matchs hein. Et Noeta, il joue 4 matchs. 4-3 matchs. 4-3 matchs. Et en plus, des fois, il joue aussi en, nocturne. En nocturne, oui. Parce que c'est un match, forcément, en est nocturne. Ouais, parce que. Il nocturne, bien il est nocturne. D'accord. Donc, pour 40 je pense que c'est vraiment c'est acceptable quoi waruñu waruñu waruñu <laughs> waruñu waruñu casse lolou wax parce que aussi il faut que ñu ñu ñu ñu participer. parce que après gestion stade euh, beeg. avec le chaque jour. après match entretenir entretenir stade bi c'est beaucoup plus compliqué qu'après un championnat que ça soit professionnel ou régional. Hmm. parce que le championnat professionnel c'est match marché. ouais c'est le championnat régional du joué plus de deux matchs. Mhm. Donc, quand tu joues un match, entretenu, après le match, c'est facile. Quand tu joues deux matchs, entretenus, c'est facile. Mais quand tu joues 4 matchs, tu termines vers 22h, 23h. Le lendemain, pour démarrer, d'autres vont utiliser stade. Ils sont obligés de solliciter pour euh, s'entraîner le matin. Tu vois ce mhm. que ça fait. Entraînement le matin, compétition l'après-midi. C'est tout à fait normal. Que des fois, match ñeu ils Oui, des fois, moment euh, sur utilisation, bon, nous Parce que aussi, euh, parfois, il euh, y en a entretien, bon c'est à partir euh, des locations lañ lañ gérer donc voilà c'est c'est ça mbir mi le noonu la demee mhm. donc moo je pense que ba fi wax ni ba wax ni je pense que tarif bi normal et puis tarif bi aussi euh, du du les directeurs du stade hein tarif c'est le conseil euh, municipal ah, qui a fixé ça sur délibération la délibération est disponible c'est bien donc loolu amul luñ si man fixé d'où maire a lui seulement qui fixé mhm. mais c'est c'est le conseil municipal qui a délibéré pour fixer la tarification pour football pour lamb pour concert etc. D'accord. Donc, euh, c'est clair. Directeur, donc c'est abordable. Et on pense bien. Donc, pour nous, il y a une structure privée qui est fait. Mais, le euh, président, laay wax dañuy jógee ci scat euh, casquette directeur il Stade bi dem ci président et je vous dis ah moom tamit nekkoon président l'ODK. donc nous, moom c'est un passionné chaque jour mu ngi au service du football Nous dañuy aussi le district u euh, bon à peu près ñi xamul district Tëngéej ci lan la ak ñaata équipe qui fi euh, nekk ak gérer district moy lan pour un président. merci beaucoup euh, Alain donc c'est vrai ñun délégué de pouvoir donc c'est la depuis la fédération ñoo ñoy wàcc ñun on est délégué de la ligue pour ne pas dire de la fédération. c'est mm-hmm. vrai que structure pyramide la donc non le donc, euh, nous, on est, on est dans la Ligue de Dakar. <laughs> Donc, euh, on est délégataire de pouvoir. Donc, euh, nous, au niveau de notre district, on a deux clubs professionnels. Santé Yalla, Tengue Football Club et Et Génération Foot va, va venir, donc on est trois et trois. Avec, avec Génération Foot, hein. mm-hmm. donc en national, on a Darussalam de Sibi Kotal qui est en mm. national 2 bon le reste nous une division régionale donc euh, comme hein. c'est un département assez large donc euh, Damaré, Tëngéej ba euh, en passant par Yen sebikotan Sangalkan, vous voyez ce que ça fait mm-hmm. ba DEN, ak génération foot mm-hmm donc gérer district bu mel nous yombul yombul parce que après Dakar c'est difficile en termes de nombre de clubs gérés donc euh, lolu motax le euh, ñun mom euh, fi ci district bi club yoyep lañuy le district constitué mhm. donc les clubs professionnels les clubs nationaux et les clubs régionaux mhm. donc lolu moo tax comme ni mako waxé c'est vrai que amna ay euh, ay club yo ne c'est pas c'est pas des clubs rufisquois ça il faut il faut le dire aussi. Ouais. c'est pas des clubs rufisquois mais c'est des c'est des sportifs qui sont à rifis qui veulent euh, intégrer le milieu sportif amaguñu sport amaguñu structure bu ko un peu... bon peut-être que c'est en voie de d'affiliation etc. bon voilà. Euh, et comme ils ont le potentiel au niveau du département bon voilà nous waxtaan ak ñoo peut-être ils ont un club qui qui est en léthargie Bon voilà nous ñu le club j'ai sous ce nom Amnafi quoi. il n'y a pas droit athlétique. Il n'y a pas de droit AC qui est là, il y a Medina FC, qui est là. Bon, Dakar AC il y a -hmm. avec euh, Pape Camara. Donc, yu mel noonu quoi donc euh, yooyu aussi dañ dañ koy accepter ah. c'est au niveau de la Fédé la ñu autorisé loolu nekk. au niveau mais de comme il habite ce c'est pas un problème. voilà voilà donc loolu la parce que euh, club bi bu bu bu bu bu affilié d'abord wala mu réaffilié ah bu engagé day wax ne moi je je souhaite recevoir à à Rufisque. ah d'accord c'est ça hein. parce que ci fiche d'engagement bi da ngay wax ne ban stade ngay recevoir. ok bon quand il veut recevoir par exemple il y a CSAD qui reçoit à Ngalandou. Oui, j'ai vu. Tu vois, en petite catégorie. Ouais, en petite catégorie. Cette année, ils ont joué en U17 en U20, donc euh, ils ont. Euh, ils ont demandé à la Ligue hein, de recevoir à Galandou, donc voilà, on est obligé de les accueillir. Donc c'est vrai que ce n'est pas, <coughs> pas, un club de rufus. mais peut-être que ni qui diriger <coughs> wala ñi ni autour de l'équipe c'est des quoi. Il y a un appartenance ici, par exemple avec CSAD bon y' a y' a Victor Diane qui est là-bas avec. ah Victor ouais. Victor il y a une appartenance rufisquoise. oui ses parents sont ici hein, à côté donc voilà donc Yumel non non bon mm. par exemple avec Patte c'est c'est c'est Babacar qui est qui est là qui habite Bargny le mm-hmm. département. Mm-hmm. ainsi de suite quoi par exemple Dakar AC avec euh, El c'est comme ça hein? donc loolu donc dañuy am ay euh, appartenance évolué donc euh, bëgg évoluer bëgg épanouir amaguñu sen dossier c'est en cours de validation donc voilà ñu ut que club bu nek à côté que ça soit à Dakar euh, Pikine wala ou wala Thiari et voilà ñu évoluer à Ngalandou à Rufisque département donc à Ngalandou forcément parce que euh, FIMOM, c'est les deux stades qui accueillent les compétitions, C'est Saint-Galandou et le terrain de Gilles Bocandé. On fait le jouer sur nous. Sur un régional, enseignant. enseignant. Donc, c'est vrai que Mbambi le reçoit, mais des fois, c'est compliqué. C'est compliqué. c'est compliqué. cette année, on n'a pas joué. Ah, d'accord, d'accord. Cette année, le terrain de Ndiailo a été isolé. Donc, voilà. CB aussi, ils reçoivent parfois mais c'est compliqué c'est des terrains qui ne peuvent pas accueillir vraiment ouais, de vraies compétitions gars yi dinañ dinañ ci taxaw ndax ñu mën libérer tout tuuti euh, <laughs> euh, Ngalandou Diouf mais mais président euh, ana wayu compétition bi fi mu né ni ren bi ni parce que des fois c'était un peu difficile parce que je suis yow xam nga. am na départ bi départ bi xawone metti mais fi mu ne nii fan ngeen tollugul ci ci euh, championnat régional bi que ce soit en senior et en cadet en junior. voilà nous, ñu ñu dellu santaat rek parce que bi ñu paré suñu championnat au niveau départemental bon y a deux clubs qui qui sont sortis donc c'est Rufisque Olympique euh, Sport euh, Ross hein, avec le doyen Ibra Ndiaye et son fils Hassan. D'ailleurs, il joue aujourd'hui hein, hein, il joue aujourd'hui le quart de finale régional uh contre Djaldjo. Mm-hmm. Ah. ça, c'est un match. Ah, mercredi, Kozer euh, a joué à Dakar, mais malheureusement, ils ont perdu. Mm-hmm. Ils ont perdu face à Dakar FC. Mais nous l'avons encouragé ouais, Nous l'avons encouragé parce que c'est ça. Hein. Kozer Bindon Deg, année passée, ils avaient dit mal. Waouh, waouh! À terminer la saison. Bon, cette année, bon, c'est vrai qu'ils ont changé de de direction avec d'autres personnes un repreneur mhm. donc euh, euh, je peux le citer hein, c'est c'est Mamadou de ah oui ah moment reprendre euh, c'est bien donc voilà le résultat il est là ils ont ils sont qualifiés en finale ñoom Cross donc ils ont joué les quarts de finale euh, avant-hier malheureusement ils ont perdu donc on les encourage hein. mhm. Ross ñu il y ñaanal vraiment parce que. vous gagnez Tay, match de de de recevoir la demi-finale. vous gagnez la demi-finale vous day directement national 2. Mhm. parce que les deux finalistes de la région ils dem directement national 2. d'accord donc euh, Ross a ses cartes en main donc voilà s'il gagne aujourd'hui gagne le prochain match il y a le national 2 donc nous est vraiment. <laughs> mais maintenant pour la petite catégorie hein, hein, pour les juniors déjà on a fini le championnat et les playoffs donc c'est TFC et AGEL qui sont qualifiés pour la finale. Mm-hmm. ils vont représenter le district TFC et AGEL. parce qu'il y a TFC qui reçoit normalement lundi l'académie euh, le euh, c'est AGL ah qui sort qui va rencontrer. na euh, supporter <laughs> donc AGL va à Dakar contre Gorée. Mhm. Maintenant, pour les juniors, pour les cadets, on saura les qualifier euh, ce samedi. Parce que les demi-finales vont se jouer entre TFC et Medjour. Mhm. D'ailleurs, nous avons un junior. Mhm. TFC gagné TFC par série. Donc, nous avons un cadet samedi, ce samedi 20 donc Agel ak euh, Patte d'Oie AC l'équipe euh, l'équipe de Babacar Sen. Mm-hmm. donc di ñaan euh, match ñu jouer avec si et que les meilleurs gagnent donc daal fofu lañ tollu ci nouveau championnat on est presque à la fin et je peux dire que clôture officielle bi du ça va ça va se faire le dimanche 11 août bu dee jàmm rek xew na mm-hmm. donc si lañuy clôturer suñu saison par les finales ah ouais mais euh, euh, de champion régional vous comme on dit hein euh, je pense Yomboul, te yombul. non non Yomboul, mon. ça je le dis tout de suite L'amontage Yomboul, c'est parce que je hmm, ngi def reproche bi Ligue de Dakar parce que j'ai vu qu'on a démarré tardivement les compétitions de petite catégorie Il nga a affaire yi ba championnat régional bi avez 4, 5, journées 6 journées dañu war a lancer petite catégorie. Mhm. moo tax ñuy enregistrer des fois ay euh, retrait de compétition. Mhm. parce que compétition dafa. foofu laa bëggoon ñëw sax président. man j'ai pas compris que ay équipes yu bëri di bind te chaque fois la raison mooy les joueurs doivent euh, faire des examens tel tel. mais doo doo comprendre. Euh, mais mais je sais pas où surtout lu tax loolu. non moom laay wax léegi nii moom laay wax léegi ça aussi euh, bon du ma jël tort bi à 100 pour jox ko. Ligue de Dakar. Mhm. c'est vrai que le président de la Ligue n'est que c'est des difficultés parce que c'est pas uniquement à Rufisque hein, même à Dakar. les clubs se retirent. Mhm. se retirent hein, des compétitions parce que un dañuy juger que les compétitions dafa s'entraîne mhm. a ils s'entraînent depuis le mois d'octobre. pour jouer euh, au mois de mars avril. tu vois ce que ça fait nous avons démarré parfois aussi euh, dañuy toog euh, am ay période yoo xamante compétition do am examen yi approché et cetera bon des fois ça ça se comprend mais par contre am na ñoo xamante ne euh, comme cette année non non dañuy gis ne chance yi bareetul pour que ñu qualifier parce que en junior on avait quatre poules. si et c'est les premiers de chaque poule qui sortent. Mm-hmm. mais mais mais président est-ce que foofu tamit du problème en junior quand les premiers de ou bien c'est au niveau de la ligue que ça a été réglé. Oui, waaw waaw parce que ñoom ñooy ñoom ñooy déterminer euh, euh, ñoom ñooy déterminé règlement compétition mhm. peut-être comme nous mu wax rek bu commencé am le temps suffisant mais peut-être comme l'année dernière ak année yi passé non ay quart de finale daan vraiment en junior peut-être en cadet ñi engagé du bari de depuis des années demi-finale finale quoi. Bah, mais maintenant demi ni euh, pour une petite catégorie ñu nek formation est-ce qu'ils sont assez de matchs dans leur euh, genre. du tout non non non. c'est un problème ça c'est un problème et et et c'est un problème général. il n'y y a pas que à que le problème est posé mais c'est partout euh, dans la région peut-être que boo demee à l'intérieur bon un club yi non ou quoi. Hmm. ils peuvent jouer ba doyal quoi bu leen ba leen neexee ñu def ay deux phases jouer ba pare jouer waat ay play-off jouer waat beneen championnat et cetera et cetera pour déboucher et cetera mais loolu ñun mënuñu ko ñun loolu mënuñu ko parce que dañuy jox benn par exemple ñun dañu dañu dañu dañu jox benn date limite boo xamante ne war nañ boucler suñu ay compétition ah benn date limite mais ligue ñoo koy wala. mais ligue moo koy parce que moom fédération aussi daf koy wax à telle période war nga ma envoyé say qualifier surtout en coupe du Sénégal. Mm-hmm. à telle période war nga moo toujours ni démarrer par la coupe du Sénégal. Mm-hmm. parce que temps boo xamante ne bu yegsee non la région de Dakar dafa war a envoyé qualifier en. Ah, coupe du Sénégal. maintenant pour la pour la ligue aussi ligue bi dafay am calendrier danaan par exemple à telle période je dois boucler mes compétitions donc voilà fait tout pour que euh, à date euh, X ngeen jox ma qualifié que ce soit en junior en cadet ou en senior donc voilà des fois nag loolu est tax. Euh, ñuy am ay difficulté hein, hein ñuy am ay difficulté mais c'est c'est on on fait avec hein on mais fait avec mais est-ce que pas des fois aussi est-ce que du côté côté finance lay. Euh, bon parfois côté finance euh, loolu c'est peut-être la ligue moo koy gën sentir. waaw waaw côté parce que parce que parce que ñun ligue moo ñuy financer pour que ñu organiser pour les compétitions de petite catégorie mais quand la ligue ne finance pas dañuy taxaw. parce que mm. man dama doon xool ni bu fekkee ni comme par exemple euh, équipe vous football euh, seen biir. Mhm. il avoir assez de matchs. bu que ni boole avoir ci structure ñi nga structure football en petite catégorie Moi, il euh, académie l'académie, ñu jox leen affiliation école football mais là c'est... Waouh bon académie nous avons trouvé une formule pour. jouer à la compétition Wow, wow, ça moom ça existe quoi. mais nous, comme nous, loolu la confié. Mm. organisation petite catégorie que ce soit en cadet ou en junior donc euh, ligue loolu confier donc euh, on s'attelle pour que vraiment nous jouer que ci euh, temps bi nga maintenant ne nous la hein et au finish ñu mën leen envoyé suñu ay donc déjà c'est fait en junior c'est fait en senior d'abord Nous nañ qualifié comme nous le ko en junior aussi nous nañ qualifié bon ce samedi on aura nos deux qualifiés pour les cadets et puis voilà. Euh, les juniors vont démarrer les phases régionales le lundi 22. Certainement, les cadets vers le 25 ou le 26 vont démarrer. mais man damay n'est hein, euh, hein. pas... ah un problème je non parce que parce que défendre euh, petite catégorie toujours parce que déjà y a un problème bu am te Tëngéej ñun talent parce que chaque fois da ngay gis dañuy sori HL dem na fi jël final coupe du Sénégal. Mhm. ci génération foot bi passé ni moom. mo jël coupe du Sénégal mhm. mais côté sélection petite catégorie man damay damay gis ay boy yo extraordinaire mais on parvient pas à les voir en sélection. est-ce qu'il y a direction technique bi départementale bi ku wala bu district est-ce que ñu xool nan la ñuy defee ba booy dem sélection bi yooyu. waaw loolu aussi lu am solo la je pense que la direction technique départementale war nañ gën a travail ci affaire boobu. Mm-hmm. dëgg yàlla comme ni nga ko waxee euh, boo xoolee par exemple daaw Agel a joué la finale régionale qu'elle a perdu face à Darussalam. Salam. Mm-hmm. Il y a de cela deux ans Agel était championne régionale en junior. donc mm-hmm. ça veut dire que am na liggéey comme ni nga ko waxee aussi euh, génération foot cette année ñoo jël coupe du Sénégal en, cadet. Euh, Agel a dans ses vitrines une Coupe du Sénégal junior mhm. et deux Coupes du Sénégal cadet. Ah. Génération foot amuma Sen palmarès mais xam y a de cela deux ans aussi il a une Coupe du Sénégal euh, en petite catégorie ça veut dire que euh, côté Bobu bon département bi ñu ngi mhm. département bi ñu ngi maintenant bon il faut que aussi comme nous le bon direction technique départementale lui aussi il ci terrain bi aussi def le travail def le travail pour euh, parce que talent mom moom ngi fi hein. regorge de talent en petite catégorie donc euh, monde mom yalla daf ñu ko jagleel donc mm-hmm. maintenant le travail bi euh, fofu le dess pour que vraiment bu ñu amé waré dem sélection régionale ñu choisir les meilleurs nous hein, ñu figurer aussi dans la sélection régionale pour mon après intégrer peut-être l'équipe nationale wala yu quoi mais au niveau district il dara que vous ne qui ngeen ko rectifier loolu wala. parce que nga comme le euh, football est organisé woo loolu direction régionale bi la. c'est ah, la direction régionale qui dans chaque district. Mhm. bon demander au directeur bon faire le travail qu'il faut ensuite remonter les données. Nous avons a une très forte sélection régionale bu rivaliser avec euh, les autres régions. Mm-hmm. mais les ñu aussi si AJEL xam nañ ni yow jege nga si équipe bi nous ñi ko sanc nga bokk ñu gis ni équipe la euh, ascension ma euh, nii la def ba fu ne nii mu en Ligue 1 lan mooy secret à ba rapidement ñu ñëw rek fait ñu. yegg fi ñu yegg nii tey ak yaa ngi wax par rapport au trophée national qu'ils ont eu waaw waaw waaw bon côté boobu moom wax dëgg yàlla dañ si dañ si dañ dañ am pour euh, wax ci parce que ñun peut-être euh, au niveau de agel bon chance bi ñu am mooy bi ñu euh, engagé woo en 2014 donc bi ñu joué 2015 suñu première année bon c'était compliqué hein, parce que benn équipe moo doon génn. Mhm. pour représenter <laughs> le département C'est ce que ba mhm. quoi mhm. ñu ba parce que bi AGEL euh, intégré après le club c'est compliqué c'est hein. très compliqué parce que formule est la mais je pense que numéro avons cette formule cette année Ross a la chance s'il gagne ses deux matchs il va se qualifier en finale euh, régionale et automatiquement des dem national 2. Mhm. au début c'était c'était pas comme ça. Ouais. c'était compliqué. Mhm. c'était beaucoup plus compliqué. Mhm. donc euh, au niveau de AJEL peut-être dañu ben ben ben ben une direction technique vraiment pour pour bu yàgg euh, si petite catégorie normalement loolu moo ni en petite catégorie bon généralement le le district dañuy jeu final la région comme nous l'avons la wax dañuy dañuy jouer donc boo xoolee euh, deux ans yep, on a gagné une finale et on a perdu une finale régionale mm-hmm. donc ligue boobu moom moment mooy remonté parce que c'est les mêmes gosses ñoom des def euh, palier yooyu quoi cadet ah, junior après donc même même xale yi ngeen ménte waaw que ba léegi ah boobu avant on parlait de Courtois ah oui oui oui oui donc euh, liggéey boobu moom wax y a le na au niveau de de AGEL mm-hmm. moo tax résultat yi di ñëw en petite catégorie donc euh, ligue c'est vrai que euh, Agel a duré en national 1. a duré en national 1 parce que c'était c'était parfois un peu compliqué avec les moyens qui ne suivaient pas donc euh, mais il y a de cela deux ans du moyens n'y bon on s'était dit que si les moyens viennent l'équipe va monter. C'était un pari. Hein. Et là, les moyens sont là. Ah, mais oui, Binka Mom, on a dit que. J'ai même rencontré un journaliste qui me disait mais si Agel ne monte pas, que, on, va, on va tirer les conséquences. C'était pour l'année dernière ou bien Non, non, non, Bini Djéré, Bini Djéré, national de, Parce que à chaque fois, on était presque à la porte. Si, si, là, Tu vois, parce que moi, il m'a l'ordre. Ça dit, il faut maintenant moyen après des défauts. Mhm day parce que le football coûte cher. ça coûte cher yaa nga gën a xam. Mm-hmm, ça coûte cher. xam nga ko bu baax parce que yaa ngi si yëngatu quoi. xam nga bu baax le football coûte cher. parfois nag difficulté yooyu le club bi daan mm-hmm. et puis am na euh, may faral di wax quoi que gars yi des fois dañu daan euh, dañu daan wax loo xamante ça faisait mal yéen bëggu leen yéeg.

équipe bi euh, rate monté bi ngeen ne voilà yéen dafa mel li bëggu leen yeeg da bëgg a res non. Mhm. national leen non écoutez ñun moom dañu am ay objectif quoi. Mhm. dañu am entre mais xoolal entre deux mille quinze ak léegi. Mhm. Euh, régional la ñu jege ah régional la ñu jege pour intégrer la Ligue la Ligue 1 man moo tax ma laaj na ma mais kañ lan mooy déclencheur bi lan moy secret. mais HL parce que ñi ko def bëriwul ah, peut-être à peu près ma ngi Oslo en six ans ils ont su faire cela mais il y avait les moyens. ah les moyens là là waaw waaw loolu dëgg la ils ont un modèle économique euh, boo xam ni mm, mm. c'est extra. mais est-ce que xam nga Agel a failli faire un coup bo xamante ne nii national 1, première année en Ligue 2 mu ñëw yéeg. voilà on oh l'a dernière journée là, ko kiiwee euh, avec fatigue bon c'est le match de fatigue qu'on a match fait. de fatigue. et le match de Duc qu'on a on a fait match hein. ouais. c'est un match euh, à notre portée avec Wakam aussi on a perdu deux points. donc points yooyu bu ñu si amoon ben, bu ñu si gagné mon ben, rek. non Faut foofu la ñu la gisoon mooy ñëw jóge jóge national rek de bëgg a. oui oui tu vois c'était extra. donc euh, peut-être on était en avance si suñu ay euh, objectif mm-hmm. mais objectif du don, jóge na Ligue 2 rek dem directement Ligue 1 parce qu'il fallait que ñu jàng. Mm-hmm. parce que les professionnels, xamuñu ko woon. Mm-hmm. c'était notre première année donc euh, l'année dernière. mais jàng mi mokk na. oh waaw waaw on a tiré vraiment les leçons. on a les leçons et santa yalla dal santa donc lolu là donc ligue bi ligue liggéey foofu rek la et parce que euh, waxon na les ne bu rek bon équipe bi dina am ay résultats et les résultats sont là. le football coûte extrêmement cher. <laughs> mais les ba waxtan ngeen ci naka ngeen di aborder euh, kii bi donc c'est un autre. Euh, oh beneen beneen palier là. Euh, la ligue la ligue 1 beneen dimension là. donc voilà on vient d'intégrer la ligue 1. Mhm. donc dañuy jàngaat comme ni ñu doon jàngee ligue 2. Pas côté technique wala wala. côté yëpp jàng ah mais HL. waaw d'accord <laughs> ñu ngi bëgg a yàgg ah tu vois 2015 ak léegi c'est vrai que c'est 9 ans. Mhm. mais 9 ans munoo munoo munoo munoo munoo munoo xam lépp.

du sax débat. waay gis nga TFC cër bi mu yor Tëngéej. Mhm. dañ koy nangu jox ko ko. Mhm. topp seen gannaaw. Mhm. mais loolu moo normal. moo ñu jiit Ligue 1 fuuf. at yi mu si def mais TFC en l' espace de trois ans am na ñaari titre de champion am na coupe du Sénégal am na coupe de la Ligue. mais foofu liggéey la. Liguez-le. ñun liggéey bi ñuy en petite catégorie Moi, c'est mon mon koy def en senior. c'est vrai en petite catégorie aussi bravo à Agela hein. ah oui ils ont compris que il faut former à la ah, base. travail à la base travail c'est à la base. Bah, voilà travail c'est à la base. quand je le vois jouer ak. Euh, euh, techniciens ni travaillé travail qui est en train de se faire ici. non dañuy insister nak ci côté mm-hmm. insister hein. mm-hmm. euh, cette année on a monté une équipe pro oui mais pratiquement euh, qualifié équipe en finale. en hein ba pare war a dem Dakar et cetera parce que foofu la ñu doon puiser yenn saa yi bu senior bi soxla fa la daan puiser. Mhm. pour renforcer senior bi. Mhm. ak euh, junior bi aussi euh, pour renforcer leen. mais mais c'est vrai aussi qu'il y a des jeux de. Agile qui qui ont quitté le deuxième voyage. c'est waaw waaw waaw am nañu. loolu mënuñu ko waaw loolu loolu moo mënul par exemple on a un joueur qu'on a formé qui est actuellement euh, qui a qui était l'année dernière à Valenciennes. qui est maintenant on a doon nañu ci wax sànq. voilà passé ak Mansour. donc donc yooyu le te c'est sûr que am na am na ñeneen ñu ñoo xamante ne ñu ngi ñu ngi liggéey. pour que côté partenaire yéen ngi liggéey ci loolu. waaw ñu liggéey vraiment ñu ngi siy liggéey ah ñu ngi siy liggéey wax dëgg yàlla donc loolu nañ ko nañ ko accepter que ñu ngi liggéey maanaam nak euh, ñu bañ yakamti hein ñu bañ yakamti hein ñu bañ yakamti ñu continuer di jàng comme ni ma la ko waxee rek à côté de TFC e à côté de Génération Foot parce que ils ont une expérience en Ligue 1 professionnelle ñooñu si jiit fuuf donc dañuy bootu seen gannaaw jàng et peut-être dans deux ou trois ans voilà quoi ñu. <laughs> inshallah d'accord président donc da ngeen di jàng ci gannaaw euh, Teungueth FC ñu ngi ko doon wax légui ils sont champions du euh, Sénégal. te commencé nañu tamit euh, seen euh, entraînement yow tamit yàgg nga leen euh, suivre Euh, côté bobu dama ay expert bi lay laaj <laughs> waaw expert laa lay laa lay tuddee mais président yàgg nga ci euh, Tëngéej FC aussi seen secret lan la de loin yow mi leen di xool lan moo indi constance boobu am foofu ba ñu bokk ci élite football Sénégal. bon Tëngéej FC il faut reconnaître que ils ont un président boo xamante ne vraiment du lésiner sur les moyens. Babacar Ndiaye Babacar Ndiaye il ne lésine pas sur les moyens. Mm-hmm. donc il il met les les joueurs et l'encadrement dans de très bonnes conditions de performance. moo tax les forcément les résultats day ñëw. Babacar Ndiaye fu mu déggee joueur bu baax non da lay dénicher dem jëli ji ñëw indi nga intégrer mm-hmm. c'est vrai qu'il a perdu le meilleur buteur du championnat Mbaye Jacques. Mbaye Jacques waaw. Bon, euh, il fallait. Mais Jacques Nehru remplacé. C'est vrai que ce pas, un, pas un attaquant type, mais c'est un buteur. C'est un buteur. Mais c'est un buteur. Très bien, c'est un buteur. Donc, Nehru remplacé. Uh-huh. Donc, Babacar l'a compris avec euh, ses collaborateurs. Voilà, donc, euh, ils vont quitter. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. Club, non, non, non, forcément, il faut amener commencé woon ñu il va partir au Djara? waaw tu vois forcément ñoo xam dañuy forcément mais le secret de TFC c'est ça c'est-à-dire ils ont un président disponible disponible qui met les moyens pour gay équipe bi am performance. donc moi, euh, résultat est dañuy ça il faut le reconnaître de ñëw. Mm-hmm. c'est vrai qu'ils ont démarré les ils ont repris les entraînements mais ils vont entrer bientôt en. Un regroupement fermé donc. Euh, d'ailleurs gis ñu def 11 euh, recrutements. arrivé hein. waaw waaw waaw waaw C'est vrai bon on naa dañuy sur le championnat et. ah oui ligue ah des ah champions ah oui C'est vrai. c'est vrai que euh, peut-être sax ñi ñi ñi ñi démarrer championnat bi peut-être que duñu duñ ko terminé. donc moi, tax da ngay da ngay da garantie garantie bi tu vas chercher un effectif assez étoffé mhm. Bon, xamante ne nii bon looy sur ligue des champions bi bon donc ko parce que ñeneen ñi dinañ man ah parce que da ngay chef ne il faut que mu gën a sori. ah oui que la mu amone ba ah passé en en ah en en Ligue des champions. ah oui oui oui oui ça moom vraiment expérience lone comme ni may wax. parce que compétition expérience la. Mm-hmm. jang nañ ci lu bari. je pense que bu ñu dellu sawaatee cette année en Afrique gëm naa ne dinañ dinañ dinañ dépassé. fii ngeen rappeler ne que ñoom ñooy dem Abidjan. waaw waaw entre seize. Euh, voilà euh, quinze seize dix sept. voilà ñu war a daje ak stade euh, d' Abidjan après. ñëw fii loolu moo tax sax ñu teel a reprendre seen entraînement yi. Mhm. donc voilà pour man préparer cette campagne. et je sais que Babacar moom bon voilà comme ni ma la wax rek. Babacar c'est c'est vraiment quelqu'un qui euh, qui aime gagner quoi. Mhm. bëggul bëggul bëggul bëggul perte bu perte moom il est dans les états <laughs> normalement parce que dafa gis lu muy investir quoi. donc pour moi forcément résultat est de niveau de suivre quoi parfois euh, quand euh, TFC fait de. Euh, mauvais résultat à Ngalandou bon di leen ko pardonner. Voilà, voilà, voilà, bi 3-0 <laughs> bi ñu perdre. contre contre contre Jaraaf. ki avait amoon benn doute bu ndaw. bu andi woon par rapport ak ndax dinañ jël. non mais c' était pas très très méchant C'est vrai que bon c'était un concurrent direct. bon quand Jaraaf reçoit ñoom ñaar ñoo nekkoon ci kaw TFC jiitu Jaraaf topp ci. bon voilà Jaraaf bu un match boobu donc c'est fini. C'est fini donc moo ils ont 1000 paquets bon TFC peut-être. Euh, devait gérer le match. mais peut-être ils ont joué si dans le ko dañ classico. terrain Ngor de terrain ça se voit. tu vois peut-être état terrain bi euh, configuration terrain bi peut-être donc euh, bu doon ci beneen terrain bu gën a yaatu gën a kii peut-être que mun na munoon na bañ a demee mais non il faut il faut vraiment tirer le chapeau à Jaraaf parce que il fallait qu'il gagne pour recoller mm-hmm. donc moo tax euh, ils ont mille paquets pour euh, gagner ce match là peut-être score bi moo xaw a lourd trois mais coach Daaf dafa bëggoon dafa bëggoon match boobu ah. waaw munoon na gagner mais <laughs> peut-être que ñun à Rufisque li ñu xaw a déranger peut-être lourdeur u d'affaire bi. Mm-hmm. bon TFC prend rarement trois buts ah prend rarement 3 bi bo xalé contre euh, kii lañ ko mais c'était un match ouvert contre Guédiawaye football club. 4-3 mm-hmm. c'était ouvert. Mm-hmm. mais à part bobu ak biñu ñu jël fële ak biñu à Kolda contre Casa Sport. 3 3-2 mm-hmm. ils sont revenus au sport dañ leen 2-0. vrai qu'ils ont fait un bon championnat. Ah, un bon championnat ko ah. donc ils méritent vraiment le titre de champion donc vraiment ñu leen di jaajëfal di leen souhaiter vraiment bonne chance pour la euh, campagne africaine mais ce que j'ai pas compris parenthèse là, moi, pourquoi le coach Cheikh aussi l'a quitté je pense que c'est une première hein. bon je sais pas donner n'est pas la personne attitrée pour wax mais war parfois aussi xam nga environnement aussi de sujet et il a dit ah, xam nga xam nga dañoo oh, passionné ci football. Tëngéej bëgguñu perdre. ñu perdre c'est vrai que malgré euh, titre bi ñu jël. Mhm. am na parfois des matchs yoo xamante ne vraiment ils ont tiré à boule rouge sur le sur l'entraîneur. et il l'a dit. il il le reconnaît bon Rufisque moo tëdd noonu. moo mhm. quoi des fois c'est très compliqué. très compliqué de de de gérer les clubs Rufisque quoi là. Mhm. surtout comme ni ma la wax quand Babacar. Euh, n'hésitez pas à mettre les moyens qu'il faut des fois vous résultat suivre comme nous ma wax des fois l'équipe gagne et peut-être euh, spectacle bi ñu du duñ ko aussi de si def si j'ai parfois <laughs> donc il ya beaucoup beaucoup cumulé bon comme nous climat bi am Rufisque environnement bi c'est très compliqué am na ñu ko mën supporter par contre am na ñu ko mënul mm-hmm. supporter et ñun lecture boobu lañ ci def ko Cheikh euh, mënul woon supporter environnement boobu mm-hmm. peut-être loolu moo tax mu mu quitté waaw parce que nag Cheikh aussi euh, <laughs> il est un peu impulsif waaw donc donc kii mais di di ko souhaiter moom tamit euh, bonne chance et je pense que Badara moo Yass Sarr moo ñëw léegi pour waaw yaa Sidaat Sidaat je voulais dire Sidaat hein, qui a fait Gorée qui a fait euh, un peu partout avec le ligue donc au euh, mooy mhm. donc euh, à côté il y a Badrassar comme directeur technique mhm. donc voilà TFC est en train d'organiser de mettre en place un bon encadrement technique et là aussi c'est important de figer de mhm. un bon encadrement ñoo xamantene ils ont l'expérience et, et tout donc dinañ la mën a jàppale pour que peut-être euh, objectif yi nga viser ci euh, ci club bi yàlla defal la ko. Mm-hmm. Eh, président dafa ma ni waxtaanee ne def nañu tuuru kii bi mais mënuñu. Euh, wax lépp waaw mënuñu wax lépp mais mënuñu kii te sans pour autant ñu wax aussi ci fédération sénégalaise de football donc le maa ngi bon c'est pas encore sûr mais lire naa quelque part que le 21 septembre la ñuy def donc seen assemblée générale et que le président Augustin il est là il va continuer il va pas continuer bon ma defal euh, générale boobu euh, le hein? lundi ci tout le 21 septembre. waaw parce que je pense que dañ euh, ils ont 60 jours pour. oui c'est 21 septembre je l'ai lu quelque part aujourd'hui si c'est calé mm-hmm. ok tant mieux. Mm-hmm. mais bon c'est normal le hein, football du football Sénégal. c'est vrai que y a une fédération a une fédération bon un moment aussi il faut savoir. day même day am ouais non non après après des, des, des, day day compliqué à ton niveau quoi ben moment nag il faut il faut savoir euh, partir. Mhm. Hein? Mhm. euh, Augustin a une chance vraiment de gagner tous les trophées en Afrique. En football, quoi. Hein? Que ce soit le football senior, le football junior, le football cadet, mhm. euh, le football beach soccer, etc. Le, football, foot local, avec, les, euh, malvoyants. les malvoyants. Donc, c'est vraiment. Mm -hmm après faut deful attention si tu vas encore même si les gens veulent encore que tu restes mhm. non euh, il faut savoir partir en qu'elle ne mu continuer parce que c'est l'idée bi du jeex liggéey bi du jeex mhm. du mas a mhm. donc da ngay béy li nga après continuer quoi d'autant plus que assemblée générale bi passé dafa métti woon quand Madi Touré voulait hein. voulait venir parce qu'il avait annoncé son départ oui. ensuite par la suite bon peut-être après conseil de ses amis, voilà, de ses collaborateurs, de ses proches. Voilà. vous beaucoup. Voilà, reste encore. Mais moi, il m'a qu'il va encore rester le même problème. que je pense que si on continue, quelqu'un d'autre vient il poursuit le travail et puis c'est comme ça c'est comme ça on a Augustin il a la chance il a la chance nee le la euh, baraka la mën nañ ko tuddee baraka la ak yooyu. et étant étant un jeune président. voilà yombul ah on a on a on a eu dans le passé des présidents de fédération. yoo xamante ne ils pouvaient ils pouvaient tout gagner ah. ils pouvaient tout gagner malheureusement donc nañ koy nangu ah. yàlla si moom la ko namoon. Mm-hmm. ko donc voilà bu ma quoi je pense que hein, il est encore quand tu fais quatre mandats trois mandats. Ouais. En plus, il dit. Euh, Ali euh, Cissé aussi, il est là depuis de, 2026. Ouais. Il, Donc, il a été prolongé. Il a été prolongé. Pour un an et demi encore. une a un an. Il a logique. La euh, Coupe du Monde, Bidigno, ou Kibi. Bon, je ne sais pas. Il y a ça saisi. Ali Temid, je pense qu'il est là depuis euh, <laughs> un bon temps. Hein? Ouh, <laughs> Malgré que aussi, il a fait des résultats. Mais... Ah, il y a des résultats. Comme nous l'avons dit, vraiment, bon, le parcours, moi, il est mort. Vous voyez, football moom noonu la quoi sport noonu la gis nga benn moment je te cache rien bi may euh, bi may euh, si sama passage ODK. c'est vrai que fin bi c'était un peu compliqué. oui très compliqué. <laughs> c'est toujours comme ça. waaw waaw on se rappelle. c'est toujours comme ça. Mm-hmm. Euh, boo toogee ci benn station après di di liggéey c'est vrai que benn moment dañ naan tiens kii est-ce que c'est lui wala. lan la mm-hmm. quoi. Mm-hmm. donc moo tax bu commencé di am ay ay wax ci suuf jàppal bàyyi rek non da ngay xam sa bopp da ngay xam sa bopp mhm. euh, moi j'avais un pari hein, avec le les gars du nawetaan xam nañ ko sax mhm. euh, waxoon naa leen ne man à telle période je vais décrocher quelque soit quelque soit poste bu ma occupé wala lu ma ah c'est assez sage non je l'ai dit mhm peut-être am na ñu bari ñoo xamné ne gëmuñu ko parce que biñuy préparer élection yi sont venus me voir moy leen normal man la ma leen waxoon. la la même d'accord pourtant moi je savais pas. avec le district ça va être la même chose. ah oui avec le non il faut savoir. mais nak euh, dañ la soxla euh, vous avez laissé conseil yi dina fi ah ak accompagnement bi mais ah ah des fois des fois des fois. vraiment nattu la nattu la mooy lim la wax léegi rek la comme ni mo wax rek mom football bi mom sport bi nattu la na football bi ci ñun quoi. Mhm vraiment yàlla moo ñu ko nattoo dañ koy accepter. Mm-hmm. mais comme mënuñu jeexal lépp. Mm-hmm. Alain non mënuñu jeexal lépp. waaye mënuñu ko jeexal da ngay dem ba teg ko fenn fi après tu vas laisser les autres continuer continuer c'est comme en politique. donc c'est c'est ça donc ah. avec Aliou aussi c'est ça. Euh, mu ngi bëgg a yàgg c'est vrai. Mm-hmm. Euh, am na vraiment ay euh, satisfaction yu ñu indi il faut l'accepter. mais parfois aussi xajalal ñeneen ko mën nga ko bàyyi sax demaat si yeneen défi ah nga utiwaat yeneen défi utiwaat yeneen défi donc je pense que c'est boo xoolee aussi au niveau de la France loolu moo nar a daal Didier Deschamps bah ouais loolu moo ko nar a daal il a trop duré voilà donc il faut savoir partir en temps du mës a jeex du mës a jeex donc bayal savoir rek après xaar keneen mu ñëw après àggali liggéey bi quoi donc voilà à, à, Aliou bon moom li ma wax Augustin laa wax on a encore besoin de c'est vrai mais peut-être que aussi mën na nekk yeneen station pour euh, le Sénégal donc voilà et c'est le Sénégal qui va. qui voilà, va qui va gagner quoi incha allah ah, comme ni ñu soxla yow tamit sa expérience. Euh, président euh, directeur kontaanoon nañu ah di la di la dalal yegg nañ ci cappaandaw émission bi ana lan mooy doon dernier cadre rek avant ñuy je voudrais euh, remercier hein. mhm. euh, donc euh, installation donc c'est un plaisir hein. c'est un plaisir donc vraiment di leen ñaanal yàlla parce que mérité ngeen ñu ñaanal leen euh, ñaanal télévision bi jëm ci kanam. Euh, yu mel ni euh, yeneen judd fi donc loolu Rufisque moo siy bénéficier rek le département quoi quand je parle Rufisque moi je suis départemental. c'est ça bah c'est ce qu'on dit. ñeme moo ñeme moo ñeme moo ñeme moo Rufisque rek <laughs> moi je parle du département donc toujours damay bëgg di def cette précision. Mhm. donc département bi yëpp bah, donc bénéficier si donc vraiment di di ñaanal sama club euh, yi nga xamante ne ñoo des ci compétition wax naa ko sànq. ros mm-hmm. ros day joué vendredi donc ñu koy ñaanal mm, ndam lu kawe njortom ah, donc comme ni mu wax rek euh, moo ñu dese pour euh, intégrer le championnat national bi parce que daru Salaam que nañ am beneen club bu nekk bi donc euh, suñu junior de Dakar parce que presque toujours joué une finale euh, mhm. Mhm. parce que. Euh, rencontre Académie d'Arles Soran et si Agel gagne, ils vont se rencontrer en demi-finale. Oui. Donc forcément, on aura, on aura une, en, ouais, ouais. en, finale régionale. Ouais. Donc, di ñaanal euh, waa district bi yëpp xam naa ne ñi may déglu. Mm-hmm. spectateurs yi vraiment di ñaan yàlla dolli mu jàmm bon di euh, jëlaat engagement vraiment. D'accord. <laughs> Hein, on le souhaite, on le souhaite. Voilà, comme ça, fait que envie complètement ñu def le bilan ñu def le bilan on va le faire je pense que ce sera avec plaisir on va le faire <laughs> donc maa ngi jaajëfal ñëpp vraiment merci beaucoup voilà merci président mais aussi Malay, qui euh, n'est ne la télé bi mu ngi ah, on est ouvert au partenariat ak képp koo xam ne rek mën nga ñëw euh, sponsoriser Sport Max parce que c'est euh, donc le magazine des sportifs dañ leen koy ibil ñu lay euh, remercier bu baax euh, c'était intéressant kontaanoon nañu di la dalal di nga fay euh, delu si tamit di remercier ñepp ñi nga xamné ñom ñu doon à travers le rifisque TV c'est la télévision de rifisque quand je parle de rifisque président waxoon na ko donc c'est le département di leen jox rendez-vous benen yoon benen samedi jam ak jam